vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 19 euh, novembre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse des faits et ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec euh, des confrères de la presse. Au menu de ce numéro du Forum de la presse de ce soir, d'abord le sommet des jeunes filles africaines organisé du 16 au 18 novembre 2021 à Niamey. Ensuite, la reprise des cours en début de semaine des étudiants boursiers de l'État du Niger suspendus la semaine dernière par leurs instituts et écoles professionnelles privées. Enfin, nous terminerons avec euh, cette euh, tournée à l'intérieur du pays d'une mission du ministère de la Communication sur le projet de convention collective de la presse nigérienne. Pour euh, analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir comme invité D'abord, euh, Maïmoune Diado, elle est journaliste euh, indépendante. Elle agit Mohamedou Suleiman, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter. Et enfin, Hussein Issa, journaliste indépendant également à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce vendredi 19 euh, novembre 2021. Commençons avec le sommet des jeunes filles africaines organisé du 16 au 18 novembre 2021 à Niamey sous le thème Culture, droits humains et responsabilité accélérée l'élimination des pratiques néfastes. Organisé par la Commission de l'Union africaine, ce sommet a regroupé les délégations des pays africains composées des jeunes filles, des experts et autorités en charge des questions des droits des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. D'abord, euh, Maïmoune Gado, pourquoi un tel sommet euh, pourquoi un tel sommet Je me dis que déjà, nous savons qu'il y a eu une première édition, mhm. euh, deuxième édition qui était euh, organisée euh, au, niveau donc d'Accra, mhm. Ghana, et la troisième édition, le troisième forum qui se tient actuellement ici à Niamey. Mhm. Donc une Il y a eu le sommet en 2015, en 2018. Et en 2021, c'est le Niger qui a accueilli ça. Mhm, donc ça je me dis que c'est une très bonne chose parce que en fait, ça, euh, nous sommes sur la base euh, de la défense euh, donc, des droits de la jeune fille. Mhm. Et donc l'Union africaine a bien fait justement de mettre ça donc, dans sa ligne de mire pour, que, pour convaincre les, les États africains à respecter les droits de ces jeunes filles-là. Il y a la scolarisation, il y a la santé et la reproduction, il y a beaucoup de choses qui entourent en tout cas euh, la jeune fille. Elle est fragile, on, sait sait qu'elle représente également euh, la masse euh, de la population. La majorité de la population, elle est jeune. Et mhm. quand on regarde aussi, c'est bien sûr les filles. Donc, il faut vraiment s'activer à, mhm. ce que ces filles-là euh, puissent aller vers un développement. Parce que une fille instruite, comme on l'a dit, euh, c'est un pays qui se développe. Le pays ne peut pas se développer sans ces jeunes filles, mhm. parce que ce sont les jeunes filles-là qui vont devenir les piliers, les femmes de demain. Et les femmes de demain, c'est elles qui auront à leur charge l'éducation de mm. leurs enfants. Donc, pour tout ça, il, a fallu que euh, l'Union africaine euh, essaie d'organiser ce genre euh, de forums mm-hmm. pour voir à chaque pays, chaque l'initiative prise par nos États et des exemples concrets, donc des exemples de réussite de ces mm-hmm. jeunes filles-là, pour pouvoir vraiment amener à ce que même les jeunes filles elles-mêmes comprennent euh, l'utilité aujourd'hui euh, d'aller à l'école, mm. l'utilité de la reproduction, parce qu'aujourd'hui on dit que le mariage forcé, le mariage précoce, quand on marie une fille à 12 ans, 10 ans, ça veut dire que euh, elle, aura une forte natalité. Mm. Ça veut dire qu'elle peut dépasser jusqu'à 10, 7, atteindre 10, 8 ou bien 11 enfants. Mm. On l'a vu, il y a des femmes qui sont parties jusqu'à 13, 15 enfants ici. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est à féliciter. Mhm. Et vous avez vu le monde qui a eu, en tout cas, euh, à l'ouverture donc euh, de ce sommet. Ça veut dire que vraiment tous les pays africains sont impliqués dedans. Mhm. Et c'est déjà une très bonne chose. Et on espère, on espère qu'au sortir donc euh, de ce forum, qu'il y ait plus de résolutions plus de recommandations et que les pays qui sont actuellement ici avec leur délégation euh, prendront en compte et l'Union africaine prendra en compte les, exigences qu'il faut euh, pour aller vers la résilience mhm. de, ces jeunes filles-là. Il faut rappeler que la cérémonie d'ouverture euh, de ce sommet avait été présidée par le président de la République, Mohamed Bazoum, l'agir Mohamedou Suleiman. Quel intérêt pour le Niger d'organiser cet événement et les objectifs visés par ce sommet Oui, justement, vous l'avez dit en euh, rappelant le thème de cette rencontre euh, mhm. euh, qui vise véritablement à s'occuper des droits des filles, des jeunes filles en Afrique. Mhm. le président de la République, on a entendu dans, son discours, il disait que au Niger, nous sommes. c'est une réalité qu'on vit, le mariage précoce. Mhm. Euh, d'où justement son programme euh, sur l'éducation, qu'il pense qu'il faudrait donc euh, que la jeune fille soit scolarisée, soit maintenue justement longtemps à l'école pour mhm. en tout cas faire face à beaucoup de fléaux selon lui. moi, j'ai suivi justement environ 2000 filles à travers l'Afrique mhm. euh, qui ont participé. Avec aussi des euh, partenaires, des, décideurs des donc des, euh, des gens des ministères qui s'occupent de la question de la, de la femme. Mhm. Au-delà justement de la profession de foi, maintenant la question qu'il faut se poser au niveau des États, est-ce que concrètement les États mettent justement les moyens, font des efforts pour scolariser ces filles mhm. Parce que je pense que euh, on voit tous ces discours, euh, mais en vérité, la meilleure garantie, c'est justement euh, une éducation. C'est-à-dire que faire en sorte que ces filles puissent véritablement bénéficier de l'instruction à l'école, qu'elles puissent aussi, comme les hommes, donc les garçons donc de leur âge, mhm. avoir les mêmes chances de faire des universités, euh, vous voyez, en fait, réaliser, développer leur potentiel mhm. euh, comme les garçons. Qu'est-ce qui bloque à l'heure euh, actuelle Il y a des, des, non seulement il y a des contraintes mhm. donc d'ordre financier, matériel, mhm. mais aussi il y a surtout le poids des facteurs sociaux culturels. il ne faut pas le, nier, ce qui fait que justement il y a des mauvaises pratiques qui tirent justement vers le bas euh, la question de l'émancipation de la femme. Mhm. Euh, c'est des réalités. Beaucoup de gens pensent que envoyer la fille, aujourd'hui encore, ce qui est quand même assez regrettable, beaucoup de gens pensent que envoyer la fille à l'école, euh, c'est la jeter dans une situation, dans une voie tortueuse, alors qu'on le sait, comme l'a dit Mémoune tout à l'heure, et dans un foyer, lorsque la femme a une bonne éducation, elle est censée transmettre le minimum euh, à ses, à ses enfants. Mhm. Vous voyez, par exemple, quand c'est une situation où l'homme il est instruit, la femme n'est pas instruite, lui, il n'a pas le temps pour s'occuper des enfants. Mais quand la femme est instruite, le minimum déjà, elle est comme elle est peut en fait naturelle. Mhm. Elle transmet euh, en fait euh, le savoir, la connaissance à, son, enfant. Donc, ce qui fait que vous voyez, c'est des réalités qui font que véritablement, je pense que c'est très très nécessaire euh, mais tout simplement, il faut dépasser donc euh, le cap de discours. Et c'est pourquoi on voudrait vraiment voir d'ici 5 ans le résultat de ce que le président de la République voudrait faire avec, en tout cas, euh, les jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas gagné d'avance à ce truc avec ces défis d'insécurité, vous voyez. tout cela, il faut, faut, faut tenir compte. Donc, on a rencontré, on a réuni justement pendant donc. Euh, jours. trois jours. Donc, ces filles venaient un peu de, euh, au, nouveau niveau africain. Donc, on voudrait vraiment que cela soit traduit. Euh, par, des facilités, par des facilités, en tout cas, mm. faire au moins la promotion. Parce que lorsqu'il y a des modèles, c'est en montrant justement des exemples des filles en termes de leadership qui ont réussi, qui sont en train de, vraiment de venir en tout cas animer donc des de, de, panels de conférences en tout cas à travers mm-hmm. les villages en tout cas qu'on montre vraiment des, histoires, qu'on raconte des histoires, en tout cas de ces filles-là, mhm. euh, en tout cas pour convaincre les gens que effectivement, euh, il faut faire voir le monde autrement. Euh, nous ne pouvons pas continuer à vivre les défis que nous avons aujourd'hui. Avant, le défi, c'est avoir des enfants, c'est pour travailler le champ. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes défis. Mhm. Il faudrait qu'on a vu justement l'histoire est têtue, à même euh, en tout cas, certaines dates, les gens ont refusé à leur, à d'aller à l'école. Euh, par exemple, les chefs de village, ils ont vu justement par la réalité que mhm. les enfants de leur, euh, entre guillemets, sujet, donc, aller à l'école, ceux qui se, sont, mhm. qui se sont vraiment émancipés, qui sont en tout cas aujourd'hui de haut cadre, qui sont en tout cas de sorte que maintenant, quand le chef vient, euh, en, ville, mhm. elle va chez le fils d'un de, ses. Euh, voilà. Mhm. Bref, c'est dire que franchement, par là, euh, cette question pour dire que on a suivi ça de, de, très près, on a suivi le discours du président, en tout cas sur la question de la, de la fille et les réalités qu'elle a eu à décrire. Mhm. Effectivement, c'est cela. Mais qu'est-ce que, comment on doit faire justement euh, pour inverser la, la, tendance parce que la question de la jeune, de la jeune fille, en tout cas dans notre euh, contexte, vraiment, elle est très très difficile. Mhm. merci beaucoup. L'éducation change le monde, disait Nelson Mandela. Il faut donc euh, des actions concrètes pour arriver à changer cette situation de l'accès des jeunes filles à l'école. On vous a bien compris. Il faut noter justement que selon l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, Madame Najet Mala. Dans le monde, plus de 30 millions de filles sont victimes de violences de diverses natures. Pour lutter contre ces violences, elle a appelé à mettre fin à toutes les pratiques néfastes et préjudiciables à l'égard des filles et de faire des enfants et des jeunes filles un secteur puissant de développement. Au Niger, quelles sont ces pratiques qui portent atteinte aux droits des filles ou Nissa Bon, d'abord, je commencerai par dire, moi, je suis fatigué avec ces réunions, sommets, tout ça on a vu les limites. On parle, on dit à ah, ces jeunes filles africaines qui vont venir se réunir. On aurait dû faire un sommet des mamans de ces jeunes filles-là. Mhm. Tu m'entends C'est bien beau que des filles qui sont allées à l'école, c'est qui les filles qui sont venues à cette réunion C'est des filles qui sont instruites. Celles qui sont dans les campagnes là. On aurait dû faire venir des parents pour dire voilà, voilà. Parce que les décideurs, c'est bien évidemment les parents. La fille peut être allée à l'école. Quand vous voyez un peu l'ampleur du phénomène dans la région de Zender, de Maradi, de, comment on appelle là, moi j'ai recueilli des témoignages. On avait venu des jeunes filles scolarisées d'un certain standing pour discuter pendant trois jours. Hmm. Ils vont faire des résolutions, il y aura des résolutions, des recommandations. Ça va aboutir sur quoi C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a besoin encore de continuer à tenir des réunions, l'Union africaine, ça va changer quoi Moi, je ne crois plus en ces choses-là. Moi, pour moi, il faut poser les actes. Quel acte il faut poser imaginez, imaginez pendant des années, l'UNICEF et les autres partenaires, comment dire, avec les chefs traditionnels, ils ont mené des sensibilisations et tout et tout par rapport à toutes ces pratiques notamment, comment vais dire, les, mutilations, Moi, je sais de quoi je parle. J'ai assisté à beaucoup de réunions, j'ai fait des déplacements en région mhm. avec des chefs traditionnels pour des sensibilisations. Qu'est-ce qui a changé Dites-moi, qu'est-ce qui a changé Il y a une évolution quand on compare euh, par rapport à des décennies passées. Non, non, non, il faut aller voir encore en région. Et même mhm. ici à Niamey, dans certains quartiers, mhm c'est des choses qui ça Persiste, euh, Ça persiste. À l'intérieur du pays, c'est autre chose. Mhm. Moi, j'ai vu un enfant, une enfant, une fille très brillante qu'on a sortie de l'école, très brillante, première de sa classe. Ses parents ont décidé de la sortir de l'école pour la donner en mariage à quelqu'un qui est venu du Nigeria, un mhm. ami de son papa. Mhm. comme ça, l'enfant, elle a tout fait, y compris localement. C'était à Zender, le, le y compris la responsable de, la protection de, la, femme et de l'enfant, a tout fait. Personne n'a pas pu empêcher que l'enfant soit sorti de l'école. ça comment changer cette comment situation changer, alors Comment changer Il faut changer la mentalité des parents d'abord. Mhm. Est-ce que vous comprenez Et ça passe euh, comment Ça passe par, il faut les sensibilisations même. Les mhm. gens, ils sont attirés par l'argent. Mhm. Est-ce que tu comprends C'est l'argent. Le monsieur vient avec son argent. Il est parti en exode, il vient. Il amène des millions ou quelques millions. Il apporte les parents de la fille. Et hmm. alors Et il voit que le million, il ne voit pas l'éducation de l'enfant. Hmm. Il voit qu'ils ont ponctuellement, ils ont de l'argent pour régler des problèmes de nourriture, de, de ceci, cela. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut penser que c'est un forum qui va régler les choses mais Merci Hussein ça, Il faut, quelle solution ce sommet, cette rencontre euh, peut apporter par rapport à toutes ces questions soulevées. C'est vrai, au niveau de certaines pratiques euh, néfastes, on a des persistances. Au niveau de certaines euh, localités, la question de la scolarisation de la jeune fille, la question des mutilations génitales, les violences euh, dont sont souvent victimes les jeunes filles, les femmes de façon générale. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que ce sommet peut apporter comme solution ce que ce sommet peut apporter comme solution, bon, euh, l'a dit, il faut un changement de mentalité. Mhm. On espère que ce sommet, euh, ceux qui étaient ou celles qui étaient présentes donc euh, à ce mhm. sommet, pourront à leur tour, euh, ne serait-ce que sensibiliser. Mhm. Chacune, en tout cas, elles peuvent être des leaders pour sensibiliser les autres filles, les autres parents dans, leur pays respectif. leurs pays, respectifs. Donc, euh, je me dis également, le problème que nous, nous avons, ça veut dire que le problème que les pays, les États africains ont, mhm. c'est que la jeune fille est entourée de lois qui sauvent cette jeune fille. Mhm. Mais d'où son application, il y a l'application qui n'est pas aussi respectée. Mhm. L'application des droits, des, des lois ne sont pas du tout respectées. Ça veut dire que en fait, on parle qu'il y a euh, euh, des lois qui réprimandent mmh. les violences faites mmh. à l'endroit de la jeune fille, de la femme, mais est-ce que c'est respecté est-ce que. Non, j'arrive. J'arrive. Je suis en train. Oui, elle, je, en train de dire cela, justement, que, ces lois ne sont pas en fait, que ne sont pas respectées. nous avons un décret portant. des exemple, décrets euh, portant euh, protection, et, maintien de la jeune fille à l'école. Mais est-ce que, est-ce que c'est respecté C'est pas mhm. respecté. parce, que, parce que je suis entourée de jeunes filles euh, dans mon quartier mhm. qui ont été déjà chassées de l'école. Mhm. Est-ce que vous voyez Donc ça veut dire que si on contribue déjà à chasser les jeunes filles de l'école, alors qu'on demande de les maintenir à l'école, mhm. ça c'est un problème. Quand vous voyez le niveau de la jeune fille, la jeune fille ne peut pas poursuivre ses études au niveau donc euh, des écoles étatiques, mais pourquoi ne pas envoyer cette jeune fille vers les écoles professionnelles C'est ça aussi. Donc ça veut dire que jusque-là, le maintien de la jeune fille, c'est sur le papier. Mhm. Ça n'existe pas. Donc il faut que nos États africains pensent à aller véritablement dans le sens de leur réflexion. Ceux qu'ils sont en train de prendre comme loi, comme arrêté, concernant la jeune fille, il faut les exécuter. C'est très important. Elhaj Mohamed Souleymane, c'est quoi les conséquences de tout cela tous ces mots que nous voyons, tous ces euh, défis, tous ces problèmes euh, auxquels euh, font face les jeunes filles Les conséquences aujourd'hui, on les voit de façon. Ça se traduit à travers la dépravation de mœurs. Mhm. Euh, vous voyez aujourd'hui la prostitution des mineurs, euh, la chicha, en tout cas, euh, parce que tout simplement, les filles qui ont abandonné l'école ou bien qui ne sont pas scolarisées, mhm. c'est pourquoi moi je suis d'avis avec que qu'effectivement, les moyens que l'Union africaine a mobilisés pour amener 2000 filles et tout ce monde-là, mhm. le billet billets, d'avion certainement plus en charge au niveau des hôtels. Mhm. Tout cela, euh, je pense que si on devait faire un usage euh, rationnel, en tout cas, qui peut avoir un impact sur ces questions des pratiques néfastes, euh, on aurait peut-être dit pourquoi ne pas réunir en tout cas des voix plus autorisées, mm-hmm. par exemple réunir les chefs traditionnels au niveau africain, qui vont faire des missions dans, euh, donc dans les villages, qui vont venir parler directement aux populations parce qu'ils sont écoutés. Le, chef de Bénin ou bien du mm. Togo qui va venir dans des localités euh, ici au mm. Niger en tout cas. En fait, voyez, je veux dire que tout simplement, euh, je ne suis pas sûr que René, ces filles-là, on ne sait même pas comment souvent on arrive à recruter ces, ces, mm. Ça veut dire que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas sûr que mm-hmm. l'impact... Euh, par rapport aux moyens mobilisés, utilisés, mmh, mmh, mmh. on pourrait avoir l'impact souhaité. Donc, c'est-à-dire que euh, si effectivement il y a des initiatives comme ça, il va falloir que les techniciens de l'Union africaine, en tout cas que le pays, puissent vraiment faire un usage plus rationnel, plus euh, en tout cas impactant, si je peux dire, en tout cas qui puisse véritablement... parce que c'est quoi le problème Le changement de, de mentalité qu'on voudrait, c'est là où effectivement dans les, donne, terroirs, en tout cas, où les populations, euh, les parents arrivent toujours à empêcher aux filles d'aller à l'école ou bien qui euh, sont en train de faire euh, d'infliger mhm. ces pratiques-là néfastes. Donc, c'est eux qu'il faut, aller sensibiliser, pas réunir vraiment les filles en village, en tout cas, qui sont ici dans des hôtels. vous voyez quoi Donc, je ne voudrais pas verser mhm. dans un, certain commentaire, mais c'est dire que véritablement, mhm. je ne suis pas sûr que euh, c'est la meilleure façon, en tout cas, euh, de minimiser, en tout cas d'avoir des solutions mhm. à, tous ces problèmes dont on parle vraiment. Il faut chercher donc euh, d'autres pistes de solutions. Absolument. C'est ça votre Absolument. appliquer Impliquer en plus de chefs religieux, par exemple des, prédicateurs qui vont aller concrètement prêcher. Euh, prêcher. Les leaders d'opinion de façon générale. Absolument. Merci beaucoup. Parlons à présent de cette reprise des cours en début de semaine des étudiants boursiers de l'État du Niger suspendus la semaine dernière par leurs instituts et écoles professionnelles privées. Ces étudiants et élèves ont été suspendus pour non-paiement des frais de formation de 2015 à 2021 selon Garba Aboubakar Mohamed Modibo, le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants des instituts écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN, propos recueilli par euh, Tarnan Foudei Ahmed. Il faut d'abord savoir qu'il s'agit des arriérés de frais de formation de l'année 2015 jusqu'en 2021 et également les frais pour les élèves orientés du ministère de l'enseignement professionnel, qui a conduit les fondateurs des instituts à prendre une décision selon laquelle de suspendre ces étudiants boursiers. Nous avons lancé un mot d'ordre de 24 heures. C'est ainsi que le ministre de l'enseignement professionnel nous a appelés pour un dialogue, pour nous donner l'évolution de la situation et enfin de prendre également certains engagements il nous a dit qu'il a écrit une note au Premier ministre pour lui faire eh, la situation de ses étudiants boursiers. Il a rencontré également les fondateurs des instituts et des écoles professionnelles, mais nous ne savons pas sur quelle base ou sur quelle clause ils se sont entendus pour que nos camarades regagnent leur salle de cours. Mais à l'heure où nous en sommes aujourd'hui, tous les boursiers qui ont été chassés ont regagné leur salle de cours. Ousseinissa, quelle analyse euh, par rapport à ces propos du secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN. ça veut dire que la situation est décantée. Mhm. De 2015 jusqu'à 2021, aujourd'hui, sept ans, mhm. sans que l'État ne puisse payer les frais de scolarité de ces, comment dire, de ces étudiants-là qui sont dans les instituts et mhm. écoles professionnelles. Moi, je pense qu'il y a un problème. On ne sait pas si c'est des aérés partiels ou totaux mais certainement que si c'est de 2015 jusqu'à 2021, ça veut dire que mhm. pendant toutes ces années, mhm. l'année dernière déjà, le problème se posait, je crois. Bien sûr. En 2019 également, le problème se posait. Mhm. Ça veut dire qu'on accumule, on accumule, on accumule, mais même maintenant, certainement, les discussions qu'il y a eu entre le ministre et les fondateurs de ces écoles, ces discussions ont certainement permis de décanter un peu la situation mhm. avec, euh, comment vais-je dire, euh, comment on appelle ça, des engagements. Mhm. Des engagements ou des promesses. Mhm. que, ou des promesses, on a vu avec même les enseignants chercheurs. On prend des promesses, mais est-ce que ça va il n'y aura pas d'interruption en milieu d'année, en cours d'année. Mhm. Parce que quand on prend des promesses et qu'on ne les remplit pas, <laughs> les fondateurs, on sait comment ça fonctionne. Mhm. En bon milieu d'année, ils peuvent dire, bon, cest parce que ce qui a été prévu, ce qui a mhm. été retenu, ça n'a pas été respecté. C'est ça qu'il faut craindre. Et moi, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique-là. L'argent, on peut mettre la formation. Tout à l'heure, on vient de parler des jeunes filles. Mm-hmm. Mais la formation, c'est ça qui développe un pays, l'éducation. Mm-hmm. Si on se permet au niveau étatique de banaliser ça, à tel enseigne qu'on empêche à des étudiants d'aller prendre cours pendant une semaine. Maintenant, c'est peut-être des cours de rattrapage qu'on va leur faire quand ils vont commencer. Ça va durer combien de temps mm-hmm. Est-ce que les promesses euh, prises par le gouvernement est-ce que ces promesses-là vont être respectées C'est la même chose à tous les niveaux, y compris mm-hmm. avec les enseignants des universités, où on prend des engagements et on ne respecte pas. Merci, Hussein Issa. Maïmoun Gado, c'est vrai, il l'a dit, ce n'est pas la première fois que de pareilles suspensions pour non-paiement des frais de formation par euh, l'État aux instituts et écoles professionnelles privées arrivent euh, au Niger. Que faire pour arriver à mettre fin à cet état de fait Mais, mais est-ce qu'on peut mettre fin à cette situation Mhm. Parce que déjà, les arriérés de 2015 jusqu'à aujourd'hui 2021, mais mhm. c'est beaucoup. Si, si, ils veulent mettre fin à ça, ils auraient dû mettre fin à ça chaque année, mhm. éponger, éponger, jusqu'à arriver en 2021. Donc je me dis que ce n'est pas la première fois, c'est ça, les, étudiants de toutes les manières connaissent ce système, euh, les promoteurs connaissent ce système, euh, on les appelle à chaque fois, on négocie, on prend des, engagements et, les engagements, après, ça se retrouve dans les tiroirs. Deux jours après, il faut que les élèves, les étudiants reviennent encore pour gréver, pour prendre, euh, euh, sortir, mhm. dénoncer, pour qu'on revienne encore sur la même table de négociation pour trouver à résoudre le, problème. Là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon vraiment pour un pays qui veut se développer, comme l'a dit Ousseini. L'école professionnelle, quand même, ce n'est pas une école à, banaliser. Mhm. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, c'est avec ça que l'Afrique est en train de se construire. Moi, je me dis que le mieux, c'est que quand on prépare une rentrée, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour que ces étudiants aussi puissent aller étudier dans les bonnes conditions et euh, euh, dans, dans, leurs droits, parce que c'est un droit. C'est un droit aujourd'hui que le Niger puisse aujourd'hui le reverser ça, pour mhm. qu'ils puissent aller faire euh, les études comme, convenablement. Mhm. Donc, si ça ne marche pas du côté de l'université, parce que beaucoup d'étudiants, en fait, fuient l'université pour aller vers ces écoles professionnelles. Mhm. Mais si aujourd'hui, en fuyant l'université et en allant vers ces écoles professionnelles, tu n'as pas aussi la chance euh, de faire tes études convenablement. Hmm. Donc il y a un problème. Il faut que aujourd'hui le ministère de l'enseignement supérieur, qui a charge de ce dossier, hmm. puisse vraiment euh, s'entendre avec les promoteurs. Et de la formation professionnelle. Et la euh, formation professionnelle, voilà. Puisse vraiment s'entendre avec ses, promoteurs. Hmm. Parce Parce qu'on a comme l'impression, parce qu'on se demande comment est-ce que ces écoles fonctionnent. Quand ces écoles ont plus d'arriérés, de 2015 jusqu'à 2021, Mhm. Comment est-ce que ces écoles, ces instituts Heureusement, ils n'ont pas que ces boursiers dans oui, leur C'est ça, mais les, boursiers de l'État sont aussi nombreux. Mhm. Il y a des écoles aujourd'hui qui refusent de prendre les boursiers de l'État. Mhm. Il y a des écoles, ils ont euh, un plafond pour les boursiers de l'État. Aujourd'hui, il y a une école que je ne voudrais pas citer où tu retrouves le plus grand nombre de boursiers de l'État parce que cette école a, euh, s'est dit bon, il faut, les, il faut, il faut, ce sont des Nigériens quand même, ce sont des étudiants, il faut les prendre. Il faut, des fois, on n'attend même pas l'État, mais on fait, on, on fait des sacrifices. Les parents payent euh, pour euh, la scolarité de l'enfant mhm. avant que l'État se décide à donner en plus, et ensuite on rembourse les parents. Moi, je me dis que vraiment, c'est vraiment c'est de revoir le système. Hein. Mhm. On ne peut pas avancer comme ça. Il ne faut pas qu'on attende encore en 2022 pour dire qu'il y a des arriérés de 2015 jusqu'en 2022. Ce n'est pas bon. Elhaj Mohamedou Suleiman, comment relever ce défi euh, avant de. Euh, je, me suis un peu renseigné, j'avais appelé un fondateur d'école pour comprendre un peu euh, mm. qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, quand ils ont fait la lettre, l'ultimatum qu'ils ont lancé au gouvernement pour suspendre les étudiants, ils euh, l'ont effectivement fait. Euh, euh, malheureusement, ils ont dit qu'ils ont des arriérés, donc des reliquats de 2015 à 2017. Ça, c'est des mhm. reliquats. Donc, ils on a payé une partie. Mhm. Maintenant, l'année de 2018 à 2021, là, on n'a rien payé. Mhm. C'est-à-dire que, franchement, c'est très compliqué. Le fondateur m'a dit que ils ont repris, arrêté. C'est une opération de communication pour alerter l'opinion qu'ils ont des arriérés. D'une certaine façon, on mhm. voyait en réalité, il n'y a pas d'engagement, rien n'a été fait, semble-t-il. Mhm. Euh, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, selon euh, cette source, euh, on n'a rien versé. Ils ont tout simplement accepté de reprendre l'espoir que leur message est passé et qu'entre-temps, certainement, ils vont voir qui les droits, en tout cas, pour faire donc avancer la, situation. Et comment comprendre cette attitude de l'État mais, justement, c'est tout simplement ça, tout simplement dire que pendant que le président de la République, en tout cas, est en train de dire qu'on mm. fait de l'école la priorité parmi les grandes priorités, mm-hmm. en tout cas, il n'est pas acceptable euh, de constater effectivement que l'État puisse accumuler euh, ses, arriérés. Il va falloir, parce que vous voyez, euh, ça c'est un aspect du problème de l'enseignement supérieur. Mhm. Euh, les étudiants maintenant à l'université, euh, euh, quand on considère qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des facultés où on a interdit de recevoir des étudiants de première année parce qu'ils mhm. sont saturés. Donc, il y a que, effectivement, au niveau donc, de l'enseignement supérieur, euh, donc, euh, et de l'enseignement euh, professionnel. justement, moi, je suis en train de voir simplement de façon en réalité. parce qu'en réalité, elle a dit. ministère de tutelle. Aussi, on construit mhm. le pays avec le système éducatif global notamment les universités. Mhm. On doit former aussi la, à, la, recherche. Donc, c'est dire que moi, de mon point de vue, mhm. c'est avant tout le moins qu'il faut, qu'il faut mettre. On pense que les étudiants qui ont accepté euh, d'aller donc se former, peut-être au lieu de faire un cycle euh, de 7 ans, 8 mhm. euh, ans, celui qui va en médecine ou bien avant, il va venir faire 2 ans ou 3 ans, à faire sa licence ou bien son, son, master. Et donc, il a une formation professionnelle. Mais lorsqu'effectivement, il a des obstacles, de, de, de, de, ce genre, Mm-hmm. je pense que franchement, il va falloir vraiment qu'on trouve de, solutions. Mm-hmm. Parce que, comme l'a dit Mamoun, effectivement, la réalité, c'est qu'il y a des parents qui vont de la première année jusqu'à la fin, ils vont payer les, études des, enfants. Mm-hmm. Mais quand l'État ne paye pas, voyez, effectivement, comment régulariser effectivement cela lorsque ça peut être une situation vraiment euh, euh, ingérable C'est-à-dire que vraiment, il va falloir rationaliser. Il ne sert à rien d'envoyer des étudiants sur des bourses qui n'existent pas. donc, je pense que là, vraiment, c'est si, que le fondateur m'a dit que rien n'a été fait et qu'ils ont repris. Donc, vous comprenez qu'eux sont dans une impasse. Parce que normalement, quand vous donnez un ultimatum, vous des étudiants, vous reprenez sans, avoir rien. Donc ça veut dire que véritablement euh, a dit que certainement il y a eu des promesses. en tout cas, le, fondateur <laughs> m'a dit que ça. il n'y a euh, pas eu de, décision. promesses, Mais il m'a dit que véritablement mhm. ils ont fait leur ultimatum ils ont exécuté, ils ont suspendu les étudiants. Mhm. Maintenant, ils sont revenus, donc dire que les étudiants peuvent, pas revenir. Donc tout cela, en fait, à quoi Il faut donc euh, trouver des solutions idoines à cela. C'est cela votre euh, souhait. Donc, il faut rappeler que ces boursiers sont des méritants. Ça veut dire que les soutenir, euh, c'est donc continuer à encourager la culture de l'excellence au niveau du système éducatif nigérien dans son ensemble. Et nous allons terminer avec euh, cette euh, tournée à l'intérieur du pays d'une mission du ministère euh, de la Communication afin d'échanger sur le projet de convention collective interprofessionnelle. Une rencontre avec les travailleurs et les responsables des médias pour leur expliquer le contenu du document de la convention collective revu par le ministère de la Communication et le comité en charge de sa phase de parachèvement Hussein Issa, quels sont les enjeux d'une telle mission Quel enjeu Ils sont allés en tournée, c'est tout. je vois pas La convention concerne également les confrères de cette a Besoin, est-ce hmm. qu'on a besoin d'aller en région pour expliquer Je me pose la question. Hmm. Non, il faut être réaliste. Ils sont allés, oh, certainement il y a un fonds qui a été engagé pour permettre à, une délégation d'aller sillonner, voir les gens là-bas. Ça va changer quoi Le blocage de la convention, tout le monde sait. C'est les, promoteurs, ils disent non, eux, ils vont pas signer. Tant que les conditions ne sont pas créées, l'environnement économique et tout et tout. Bon, est-ce que ce n'est pas une occasion, une opportunité Occasion, ce n'est pas l'intérêt du pays. Non. Nous avons aussi des responsables de presse. Euh, oui, d'accord, on a des responsables de mm. presse. Mais une fois que la convention est signée, on va l'imposer à ces responsables-là. Mhm. Mais une bonne chose je sais de quoi, il s'agit. J'ai vu ça au mhm. Sénégal, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Mhm. Mais pratiquement, souvent, après, les gens ont abandonné. Tu m'entends Les gens ont abandonné. Parce que les gens signent des, contrats, comment dirais-je, des contrats personnels, comment avait dit, direct avec. parce que ce qui est prévu dans la convention, c'est une bonne chose hein, dans un premier temps. Mais quand on me dit qu'il y a une mission, une tournée de sensibilisation, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a un fond là, déjà il faut aller tourner. Voilà un peu moi comment je comprends cette affaire. Il va aller, dans tous les cas, si le document est adopté, si tout le monde est d'accord autour du document, ça passe en application. Mais maintenant, qu'on crée une tournée comme ça là en région, parce qu'il y a des frais de mission quelque part, voilà un peu moi ce que j'ai compris là. <laughs> C'est ça votre point de vue. Maïmoune Gado, euh, quelle réaction ou quelle analyse par rapport à cette mission euh, du ministère de la Communication pour mm. expliquer les tenants et les aboutissants de la convention collective euh, tant attendue dans le monde des médias que nous connaissons J'aurais bien voulu que euh, cette délégation attend d'abord la signature, mhm. parce qu'ils ont dit que la signature interviendra d'ici fin novembre. Mhm. J'aurais bien voulu d'abord que cette délégation du ministère attende la signature de la mhm. convention collective pour aller en région. Puisque c'est en fin novembre. C'est en fin novembre. Donc ça veut dire que euh, déjà, euh, cette délégation a pris de l'avance. ils vont revenir, on va signer la convention collective ils vont retourner encore avec le même document pour aller vulgariser. Donc moi, je me dis que <laughs> c'est comme ce que Hussein vient de dire. Hein. Euh, je me dis que... Et, ensuite, quand je regarde, si vous voulez vulgariser, ce n'est pas la manière dont vous êtes en train de faire une petite salle avec combien de journalistes mhm. Est-ce que quand vous partez à Zender, c'est tous les journalistes de Zender que vous avez réunis là-bas, dans cette petite salle, mhm. pour pouvoir le vulgariser donc le document, le faire comprendre comment est-ce que ça doit se passer. Hmm. Parce que ce qu'il faut également comprendre, c'est pas tous les journalistes aujourd'hui qui parlent le français, qui hmm. connaissent en fait le document en français. Hmm. Donc, il fallait attendre la signature, prendre des professionnels des médias, euh, les langues, les différentes langues, et ensuite avec euh, euh, nos confrères qui parlent le français, aller sur le terrain, vulgariser, sensibiliser, trouver ces hommes de médias dans leur milieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessité de recueillir les ultimes avis avant le parachèvement du document euh, Ça fait combien, ça fait combien d'années mhm. que le Niger est sur ce document Ça fait combien d'années que le ministère de la Communication est sur ce document mhm. Si c'est au moment où on espère qu'on mhm. doit signer euh, cette convention collective, qu'ils doivent aller sur le terrain pour recueillir encore d'autres aspects et venir parce qu'on ne peut pas on ne peut pas insérer. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va insérer à la dernière minute un papier qui est déjà fini, mhm. un document qui est déjà fini. Ça veut dire que le mieux c'était d'attendre. Le mieux c'était d'attendre véritablement l'adoption de la l'adoption parce que c'est ça en tout cas. qui Est-ce votre point de vue, Elhaj Mohamed Souleymane? Euh, franchement, euh, je suis d'avis avec euh, mes confrères que mhm. Cette, cette euh, mission donne l'impression d'une euh, randonnée, un, truc de villégiature. Euh, parce que tout simplement la convention collective met en rapport face à face les employeurs et les employés. Mhm. Il est question d'accepter ce qui est programmé parce que en réalité, Ossène l'a dit, il y a une implication que on s'entend sur le fait que le journaliste nigérien euh, sont mal payés. Mm-hmm. Donc maintenant, on a décidé, selon ton grade, selon ton diplôme, qu'il y a une certaine euh, barre, mm-hmm. un certain traitement qu'on doit te faire avec des avantages, un certain seuil, mm-hmm. ce qui fait que, euh, au lieu des salaires de misère les 50 000, 70 000 qu'on donne aux gens euh, mhm. dans les, au niveau de la presse privée, c'est malheureusement. au niveau de certains organes. pas tous les organes. On va mhm. dire que tu as une licence ou bien un master euh, euh, journaliste. Mhm. ton salaire peut remonter En tout cas, on pense qu'il faut te rémunérer 400, 500 000. Donc, vous voyez, là, c'est une implication où l'État, le ministère de la Communication, euh, là, on peut faire le débat. Mais au niveau de la presse privée, ils disent que nous conditionnons cela euh, par euh, la loi sur la publicité. Il nous faut une, un accès équitable à la publicité parce qu'effectivement, la réalité, c'est que lorsque l'économie de la presse ici au Niger, mhm. c'est d'abord la publicité, c'est la vente de produits, nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum, mais est-ce que vous restez alors optimiste euh, par rapport à ce délai fin novembre pour l'adoption n'est pas une question par rapport à optimiste. De, ce projet. de mon point de vue, les conditions ne sont pas réunies. Mhm. Il y a un besoin d'accompagnement. Est-ce que l'État est vraiment prêt à accompagner justement toute la presse, mhm. surtout la presse privée. Donc, vous voyez, je pense qu'il euh, va falloir discuter encore euh, des de façon tout simplement euh, à tous les, mhm. les, partenaires, parce que j'ai comme l'impression on risque vraiment de mettre la charrue avant le, bœuf. Encore une fois, mhm. c'est d'abord les employeurs et les, les employés. Mhm. Je ne suis pas sûr que au niveau de la presse privée, par exemple, les gens sont prêts. Oui, on regarde la précarité, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau de l'État ou bien au niveau des partenaires, je pense que c'est pas pour demain, en tout cas, l'effectivité de Merci la... beaucoup, Est-ce qu'on peut espérer cette signature au moins avant la fin de l'année 2021 il faut créer les conditions d'abord de la viabilité de ces médias, des organes. Mhm. Regardez ce qu'on donne comme fonds aux médias, la presse, euh, comme la presse privée. Tant qu'on ne change pas les conditions, parce que ailleurs, regarde ce que les médias publics gagnent en termes de publicité, qui sont subventionnés. Non, c'est une réalité. Les organismes, tout, tout passe dans les médias. L'État même, les publicités de l'État, c'est les médias publics. Alors, comment on peut développer les médias, créer les conditions pour qu'il y a un travail à faire Mais il un... Non, non, non, non. Il ne faut pas penser que euh, c'est comme ça, la parce qu'on pas qui tourner, c'est fini. Même si on est-ce qu'on peut espérer la signature de cette convention collective avant la fin de cette année 2021 Mais Michel, on attend. Parce mhm. que j'ai entendu la représentante euh, euh, des promoteurs, mhm. des médias, qui a bien dit que la signature interviendra en fin novembre. Donc mhm. on l'attend. Mais est-ce que vous restez optimiste à votre niveau euh, par rapport Moi, je ne suis pas optimiste. Merci beaucoup. Chers euh, auditeurs et téléspectateurs, nous sommes euh, au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 19 novembre 2021. Nous disons merci à nos invités, Maïmoune Gado, journaliste indépendante, l'AG Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter et Hussein journaliste indépendant également à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji à la régie pour le son Moustapha Yuba et à la réalisation vidéo Seine Isaka. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.